cet atelier de ce matin est la bienvenue pour nous de la presse, parce que ça nous a beaucoup permis de mieux connaître le travail euh, de plan au niveau de la région. Même si on avait eu l'occasion de les approcher, mais aujourd'hui, on a vécu vraiment une journée très intéressante par rapport aux enfants, parce qu'actuellement, vous savez ce qui se passe on peut dire à Saint-Louis, l'actualité est dominée par un fait vraiment avec euh, cet habit qui, a eu lieu sur un enfant de 13 ans où, 14, plus de 14 personnes ont été arrêtées. Mais plan aussi nous a permis aujourd'hui de voir comment affronter ces enfants, peut-être en cas d'abus sexuel, ou comment faire peut-être pour mieux protéger ces enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, tout le monde, euh, euh, euh, tout le monde, tout parent vraiment a la peur au ventre. Aujourd'hui, tu ne peux pas envoyer ton enfant au marché ou à la boutique, même à l'école, tu te poses des questions. Parce que les prédateurs sont là. Et si plan aujourd'hui nous permet, nous forme par rapport à ça, je crois qu'aujourd'hui, on a acquis une nouvelle expérience euh, qui pourra nous euh, permettre vraiment d'animer nos émissions, mais aussi à travers euh, d'autres euh, informations, nous pouvons divulguer ces informations. di le plan nous hein, ñu convier ci atelier bi ñu de ce que ci li nga ce que mooy liggéeyam mais aussi de ce que li nga de ce que la taxawee di ce ak ak yelleef ci ce nga xam ni tout tànk yi na liggéey boo xam vraiment yàgg nañ ko def ñu ci top en tant que journaliste diko ko saytu tey dañuy am mbégte ñëwaat découvrir que ni ñi ngi continuer liguey bobu ci jamono yi nga xamni sax xalé yi dañ ko soxlo motax tay ñun tag taskatu xibaar yi bu ñu amee occasion ñëw échanger ak ñom dañu leen di féliciter d'abord mais doli wat encore di wax ni euh, dañu wëra a euh, li nga xamni ñom mom moom def sur le terrain moy li nga xamni mom lañuy la euh, ak idée yi nga xamni indi nañ ko pour jappalé xalé yi mais ñu jël ko ñun tamit vulgariser ko en tant que homme de média dans les familles au niveau de la société mais surtout en tant que parent aussi ñu tas ko suñu biir ay njabot tas ko suñu biir biir ay euh, école ak fépp foo xam ne rek euh, nit ñi soxla nañ ko parce que jamono ji dafa toll tey fu metti foo xam ne dañuy vivre chaque jour li nga xam ne mooy ay viol ay enlèvement ay torture te xale yi ndaw yi ñoo gën la zone la la couche la plus sensible te tey ji dafa jot ñi nga xam ni ñooy acteurs yi ñu ñëpp taxaw moo xam waa plan moo xam jàngalekat yi moo xam journalistes yi ak képp koo xam ne rek da nga am responsabilité dans cette société sénégalaise. Tout d'abord, je vous dis grand merci votre disponibilité et votre présence massive à cet important atelier. L'objectif de cet atelier porte sur deux points. Le premier point, c'est le partage de notre stratégie pays 2021-2025. Le deuxième point porte sur la politique de sauvegarde des enfants et des jeunes de l'organisation. Comme vous le savez, beaucoup de en tout cas des organes de des représentants d'organes de presse participent à nos activités, mais ont une méconnaissance en tout cas des activités que mène l'organisation, et même l'historique et les programmes stratégiques de l'organisation. En plus de cela aussi, nous, nous avec des enfants et nous devons, nous, sommes redevables ah, ben,